ça qu'on la tête, je viens idée. On non, non, encore de nos galères, de nos de la croissance qui nous régnait, le taxi de côté, les études abandonnées. Un soir devant la télé après une journée difficile Il fait chaud sur toute la ligne dans ce pays, rien n'est facile Je zappe match, je zappe les des programmes bidon des défis Un programme acculturé, pas de dame sur le pays On nous colonise avec des films, avec des censures malhonnêtes Des feuilles tombent dans des émissions, pas d'internet Malgré malhonnêteté au sud, de par Pas de vidéo, pas de vidéo qui jette pour les appeler On y peut rien, ouais on consomme quand une entrepreneurie nous assomme C'est la DGL qui nous assomme dans la cité. Hawo Kak. Quelques minutes de galère, puis nos envies s'évaporent. J'entends les mots qui crient de war. Dangeka, dangeka. Le processus continue. Je zappe mat, je zappe mat. Il stop, c'est le journal. Je vois un mec bien habillé. Et le jeune, je l'apprécie. Je suis aussi content pour lui. Et phénomène Haro qui paraît intéressant. Entouré des miens, des blancs. C'est le ministre des Finances. Tu connais pas, Manuel. Le vote, doutes au Doudogane. Plus on suit son des d'écoute. Il imposent la TV

kamata bai kamata bai kamata ba ai hawarin duke ne sai haifo hankan gote irbaf na roja da wasu ta kai gana gate abun muna gani su suke gai asin gati gati gati asin na kis ni amana wa amma hun kuna waro chada chada haro gate ወሰድገቲ አሲንገቴ ይበነገዘ ኪስኒ chada ba wa chada ዋሮ chada safare chada ya ku chada ba ፈሪኖ ቻዳ su ba ga chada wa ቻዳ da mana ባኢል ጅርቦ amana wa ወሀጎይ ton no rega ወስቶንቶን ኖሬጋ bi nay sara wasta bor kul mahare wallahi daran wa kal kai ma wa daran hang kal kai ma hang daran haru kal kai ma haru daran binya kal kai ma binya daran kungu kal kai ma kungu daran du kal kai ma du daran zada kal kai ma zada labo ma zada kurta ji ma zada yani ga labu mai da jimi ai mana banya hanga feri bor labo rama hai kubera ma gor kubera ma je kubera ma kar kubera ma tun kubera ma hin kubera ma wa kubera ma jir kubera ma jo kubera ma goi kubera ma kai kubera kal kai jinda yi bismillah sanabi bai kamata bai kamata bai kamata ta Nirvana Bujada Wantuta Ganagati Abunamunagan Suke Gai Asinigati Baikamata Baikamata Baikamata Ba I Hawalan Luchini say Haifu Hankanguti Nirvana Bujada Wantuta Ganagati Abunamunagan Suke Gai Asinigati När man bara sitter innan gdia evakuera Vi får chada, hon kommer chada Suba chada, chada som säger chada Men kan pojka sappe angara subaga chada Hej no tiada ne suba subaga chada Dalkai eh, no gadi boni mahekar moi makam Bukulu musino kanga salai Sanke lokolu asin gadi ne amma ga cada talakawa ne gasa su kunso kan baya da kuka su ne zabe su ne zahi su ne wahala su ne masala su ne a tama suna wuya kullum suna ga kuka haulu de l'EPC trop de chez l'assemblée toute de session truquées trop de fonds politique, vos capacités renforcées trop de ping-pong je dis les ping-pong des ministères de conseillers a rien à faire et stopper des légiciers danga des lignes à Yeah, man. Body Bai kamata, bai kamata, bai kamata ba. Ai hawa lem duchini si kang hankang wuti. Irwaf na bucha da watu tarke gana gati. Abu na muna gani suke gai asin gati. Bai kamata, bai kamata, bai kamata ba. Ai hawa lem duchini si kang hankang wuti. Irwaf na bucha da watu tarke gana gati. Abu na muna gani suke gai asin gati.